ñu leen di nuyu waa Gourel Dora tey nag alhamdulilah danoo ñëw pour xool teen yi fi yi fi defoon waaye tamit ñëw ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen financé teen bi muy ñi ngeen gis seen kanam ñoom ñu bokk association bu tudd ANAVI di ñëw Sénégal lu bëri pour ñëw jàppalante population bi ren at bii ñu nekk ni ñoom financé nañ fi maanaam treize teen fukki teen ak ñett yoo xam ne dañ fi ñëw pour jàppalante ak sénégalais yi donte duñu ay sénégalais. donte duñ fi mës sa ñëw pour naan fi ndox mais am yëg-yëg bi yëg bi ñu am pour jàppale sénégalais moom moo waral xoola Dakar fi mu toll ñu jógee ba France ñëw ba Dakar ñëw ba fii pour ñëw xool si ten bi rek war a delluwaat loolu yëg bu rëy la. aussi ñu xam ne ñoom li ñu def tamit yéen lañ ko defal mais yàlla subhaanahu wa mooy ki fay li nit ñi di def te yàlla tax yàlla mooy ki koy fay ñoom comprendre nañ loolu moo tax duñu sax xool li ñu def waaye li am solo rek mooy li ñu fi def mu nekk fi loo xam ne lu fi sax la waa dëkk bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm te di leen wax bismillah ci dëkk ba di leen xamal aussi li ngi leen di defal fi ci dëkk bi nekk na loo xam ne lu rëy ci ñoom ti nit loo bugg am wala loo bugg def te mënoo ko defal sa bopp soo amee ku la koy defal da ngay sant yàlla gërëm ko ñun li ñu am fii ci dëkk ba buggoon nañ ko am lu yàgg ndaxte ñun dëkk nañ fi ay at yu bare ci dax bi lañu doon naan te ku nekk xam na ndoxum dax jafe-jafe lu mu am ak ay yenn yenn tolof-tolof lu mu am lu mu mun a jural nit su yàlla defee tey ñu am loo xam ne lii ay teen la am ndox mu sell am ndox mu set ñu koy naan te lo xamni li bëggon nañ ko am ñu won fexé ba am ko te mënuñ ko amal suñu bop ngeen def sabab lu lu nek amna sabab ye don ngeen doon sababu da daanaka ñun ñu def lu dul kontaan eh, di leen gërem di leen ñaanal yalla aussi li ngeen di def fi la yalla na doon tiyab yu bari yalla na am yokk-yokk yu bari ngeen gëna am ay ubbeeku ay lu nek lu nek ak li ngeen doon bëgg ci seen sago min tim min be kadi e darde gargul gargol maɓɓe min minen rewɓe gurel ngel min calmini min jogi en kadi weltare no wuni sabu ko minen buri jogade porbolim jogul warbe kam yaay ko minen rewɓe ƴettata panuji amen suwoji amen min jogo koy maayo min jogar so maayo go wuddi min jahat min min min min hen weltare min yo allah yo allah Salam, bonjour à tous. Euh, avant toute chose, bah, déjà je remercie tout le monde de nous avoir attendus euh, depuis euh, ce matin, en tout cas. Il fait beau, il fait chaud, il fait 39 degrés, je kiffe ma race, un truc de ouf. Il manque juste ma meuf et un mojito et franchement c'est le top. Eh, je suis bien, si vous savez, je veux même pas rentrer. Je sais qu'il caille en France, il fait moins 2, moins 0, là il fait bon, 39 degrés. En tout cas, voilà, bah, je sais pas quoi dire. Franchement, euh, on a fait à peu près, je crois, une demi-heure et 45 minutes avant d'arriver ici. Ça veut dire qu'on est rentré dans les terres et on a roulé à peu près pendant une demi-heure 45 minutes. Même ma mère, elle s'est posée la question, est-ce que c'est encore loin ce qui est intéressant ici, c'est qu'il euh, y a deux puits euh, qui, ont été faits. Pourquoi Parce que le premier que vous voyez là sur euh, ma gauche, il a mal été fait. Il y a quand même de l'eau, mais il a mal été fait. C'est pour ça qu'on en a recommencé un deuxième. Ça veut dire que pour le prix d'un, on en a eu deux, qui est juste derrière vous, qu'on a filmé tout à l'heure. Ça veut dire que ce village-là, il a deux puits pour le prix d'un ça les aide beaucoup parce que vous voyez autour il n'y a vraiment rien du tout et là ils étaient en train de parler c'est vraiment il n'y a pas d'hôpitaux euh, voilà il n'y a pas de il a pas médecin euh, franchement ils sont loin de tout et c'est vrai qu'ils vivent euh, de l'agriculture et là on m'avait expliqué tout à l'heure que des fois il y a la rivière ça déborde ça veut dire qu'ils sont entourés d'eau ils ne peuvent pas sortir de ce périmètre et ce qui est intéressant au niveau de ces deux puits là c'est que vous voyez les jeunes qui sont juste derrière moi c'est les seuls enfants euh, de, ce village, de ce village. Pourquoi Parce que là, on m'a dit qu'avec l'eau du fleuve, euh, vu qu'ils n'avaient pas d'eau potable, ils buvaient l'eau du fleuve. Euh, et, par cette cause-là, malheureusement, bah, les femmes soit tombaient pas enceintes, soit elles avaient des difficultés, soit elles pouvaient perdre leurs enfants. Alors vous voyez que votre argent part à des personnes qui vont boire de l'eau, mais pure. Là, on, a goûté simplement celui bah, du puits qui est mal fait, mais il y a quand même de l'eau. L'eau, elle est déjà transparente. Et là, bah, ils ont fait un, voilà, un beau puits où les femmes peuvent s'asseoir. Et tout à l'heure, elles nous ont dit qu'elles pourront même venir ici s'asseoir et pendant que les femmes tirent le puits, bah, discuter en tout cas entre elles. En tout cas, voilà pas où part votre argent. Comme je vous le dis chaque année, je ne peux pas faire mieux que de la photo et de la vidéo. En tout cas, nous, on est très contents. Je rappelle, il fait 39 degrés, je suis bien. un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Je pense à vous en France, mes pauvres. En tout cas, voilà. Et on va continuer notre euh, cheminement. Euh, pour rappel, on est euh, dans la région de Podor. Ça veut dire que là, on est à la frontière de la Mauritanie. là, on va continuer. De toute façon, on va faire après le sud. On va aller jusqu'en Casamance en espérant que le soleil tapera aussi fort. En tout cas, à très bientôt. Après, on bloque là. Il faut allumer. C'est désolé. Parce que j'ai ramené, mais il reste dans le chef, donner, hein. Ah oui. On n'avance plus là. <laughs> J'entends plus rien.